soit c'est cela dépend de l'heure où vous nous suivez. Merci d'avoir abonné à notre site d'information Kajor Entertainment qui se charge de vous présenter au journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter la première édition. À la une de cette dernière, nous parlerons de la fête de l'indépendance qui s'est très bien déroulée dans la commune de Meké, une fête qui, qui répondait au thème la force de défense et de sécurité. Une fête qui a vu la participation de la, de la population mécoise, notamment le défilé des élèves de l'école primaire, la danse des majorettes et la prestation des furieux des arts martiaux. Une fête colorée également par la remise de distinctions aux élites mécoises. Vous aurez la réaction du professeur Sogo qui s'est fait distinguer dans l'assistance. Après, nous parlerons de politique avec le discours du maire qui se dit satisfait avec un bilan complet et se projette aux échéances de 2019. Politique, mais cette fois-ci avec les jeunes de Tiwawan unis derrière le Parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le Parti fastif de euh, Ousmane Sonko était réunis euh, pour la structuration du bureau et une campagne de massification. Vous aurez la réaction du coordonnateur M. Gorgi Massambouboy. Éducation après les étudiants de l'université Cheikh Anto Diop et des universités du Sénégal se disent mécontents de la gestion du budget de la municipalité. Ils se disent d'être oubliés et dénoncent l'injustice qui est en train de sévir au sein de cette structure. Vous aurez la réaction de M. Yusuf le président de l'amicale des étudiants ressortissants de et de l'université cette fois-ci, nous parlerons de l'amicale des étudiants ressortissants de Ndiaye qui a organisé une journée culturelle axée sur une conférence faisant la synthèse de la philosophie, une conférence animée par le professeur Songue pour les élèves en classe de terminale. Santé pour clore cette édition avec cette même amicale qui a organisé une journée de consultation gratuite et d'une sensibilisation sur les infections génitales. Et pour terminer, la famille des Diagne marche dans cette même cadence avec une journée de consultation gratuite et des remises de dons de médicaments. Vous aurez le coordonnateur M. Bassirou Djahate au micro de Kajour Entertainment. C'est tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Ouvrons cette édition avec la fête de l'indépendance comme nous vous l'annoncions dans les titres. Le président du conseil communal de la jeunesse de s'est dit être très satisfait de l'étroite collaboration du conseil communal de la jeunesse de Meké au comité de pilotage qui lui a confié l'aspect culturel et la retraite au flambeau. Monsieur Abdul Aziz qui s'explique à nos micros. On est très content de l'organisation de cette fête parce que c'est une fête pour la jeunesse et des forces de défense et de sécurité. Maintenant, c'est ce que le comité de pilotage a compris pour nous confier une commission relative à l'aspect culturel mais aussi à la retraite flambeau et que la jeunesse aussi a joué sa part par rapport à cette commission. Mais à travers aussi toutes les activités de cette fête, la jeunesse a pris part. Donc on est très content de l'association qui nous félicitons le maire, nous félicitons aussi le comité d'organisation en ce 58e année d'indépendance que nous célébrons ici dans notre serre commune. Tels sont les propos du coordonnateur des directeurs d'école. M. Lamignan remercie également euh, les collègues qui ont participé à la réussite de ce défilé. M. Lamignan, le directeur de MECOSET que nous écoutons. Donc nous célébrons aujourd'hui euh, l'anniversaire de notre indépendance la 58e année. à euh, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des directeurs d'école, euh, nous félicitons Michel Maire. Nous félicitons également le comité d'organisation à travers le coordinateur et les présidents de commission. Comme nous l'avons dit tout à l'heure en Wolof, nous représentons les directeurs d'école dans ce comité d'organisation. Et comme nous le savons, nous sommes en train de célébrer la fête de l'indépendance qui consacre la fête de la jeunesse et des forces armées. Si euh, dans ce sens-là, le maire, pour que ces enfants-là puissent participer à ce défilé magnifique-là, nous nous en honorons et nous remercions particulièrement aussi nos collègues directeurs d'école qui nous ont permis une participation digne, magnifique, formidable de nos élèves. Parce que comme nous l'avons vu, nos élèves ont défilé d'une très belle manière et se sont également mis dans les entraînements depuis 3-4 semaines. Parlons de notre aspect de cette fête indépendance, notamment le professeur Omar Sogo, un natif de Ngaimé, à la fois un citoyen d'honneur, a été décoré aux mains du maire à l'occasion de cette fête d'indépendance. Très honoré de ce geste de grandeur, il réaffirme son engagement envers la ville de Meké pour qu'elle aille de l'avant, le professeur que nous écoutons. Je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa et remercier le maire et toute l'équipe municipale pour cette décoration qui me va au fond du cœur. Je suis citoyen d'honneur de Ngaï et cette décoration vient me conforter dans l'idée qu'il faut continuer à travailler pour la ville, pour les populations, pour que cette ville... On laisser cette fois-ci de celui qui s'est fait remarquer par une distinction au maire du maire de Meke. Il s'appelle M. Wilidja, un enseignant et directeur d'école qui s'est fait marquer de par son existence. M. Dja, selon ses élèves, est très apprécié de par sa rigueur et son dévouement dans l'enseignement, apprentissage ainsi que la vie courante, ce qui lui a valu une décoration à l'occasion de cette 58e année anniversaire d'indépendance monsieur Dia qui nous dévoile son secret. Bon. je sais, surprise mon mon fexe ba mais on s'est dit que c'est dans l'ordre naturel des choses et que comme ni l'ai dit, waxee rek daf ñuy gën plus parce que vous faites dañ lay honorer par rapport ak li ngay def nga jàpp ni li ngay def danga ko war a def parce que tu es un éducateur da nga war a jàngale comme il le faut euh, nga nekk si dëkk bi bokk si activité de développement yi je crois que lool c' est dans l' ordre naturel des choses donc duma ma ko miin mukk bu ma ko doon am dix fois aussi mbégte ak surprise donc lay doon mais Euh, daf ñuy c'est source de motivation Venu prendre une décoration de son grand frère, agent de santé, M. Sow se dit être satisfait à l'endroit de son pays ainsi que sa ville qui fête sa souveraineté. Le directeur Sow que nous écoutons. Aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel. Je l'ai dit tout de suite à un ami. Sur le plan organisationnel, sur le plan euh, des ressources humaines, vraiment aujourd'hui, on, on, se sent, on sent une fierté à, l'endroit de tout le monde, à l'endroit de notre pays. Parlons à présent de la politique avec le discours du premier magistrat de la commune de Meké. Dans son allocution, monsieur le maire de la ville de Meké, monsieur Maguedouard, n'a pas manqué de dire combien il était heureux de la fête qui s'est très bien déroulée dans sa sœur commune. Rappelant le thème choisi par cette année, force de défense et de sécurité, le maire prône des voies et moyens préconisés par le président Macky Sall pour la sécurité du Sénégal. La politique de la promotion féminine du président Macky Sall a été rappelée par Monsieur le maire avec, euh, avec l'établissement de la caisse d'entre-aide des femmes pour mieux booster le développement de la gente féminine avec un budget de 35 milliards de ressources le maire a incité également à ce que la jeunesse se réveille avec des aptitudes d'élaboration de projets pour acquérir des financements. M. Bekay Touré, chargé de la commission jeunesse, doit assister les jeunes Mekwa selon le maire. Et il est revenu sur la politique de modernisation de la ville de Meké avec certains des projets déjà réalisés et d'autres qui sont en cours. Il termine son allocution avec un bilan quasi complet et une satisfaction qui sera comblée par sa, par sa réalisation en 2019. Vous aurez politique toujours, mais cette fois-ci dans le département de Tivavon avec la rencontre des militants du parti PASTEF des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité qui s'est réunie à Tivavon au CM Ababakarsi dans le but de structurer la section départementale pour élire en 2019 le secrétaire général, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, au fauteuil présidentiel. Parlons à présent cette fois-ci avec l'Amical des étudiants ressortissants de Ndiaye qui a célébré sa journée culturelle qui s'accentue sur deux aspects principaux. Une conférence faisant la synthèse de la philosophie animée par euh, le professeur Sogou pour les élèves en classe de terminale, le président de l'amicale que nous écoutons sur la journée. Si jamais vous avez la capacité de faire ce qui est impossible à l'autre, retenez que vous avez du talent. Et si jamais vous avez la faculté de faire ce qui est au-delà du talent, retenez que vous avez du génie. Mais c'est chaque personne, chaque individu, chaque étudiant, il y a un génie qui dort en toi. Mais c'est à toi de le réveiller. C'est à toi de le réveiller et santé qui constitue le dernier point de cette édition. La famille des Diagne de Meke qui a organisé une journée de consultation gratuite et de remise de dons de médicaments à l'occasion de leur tour de famille qui consacre la cinquième édition. Selon le coordonnateur Basur Djahate, 50 médecins ont été déployés avec un budget de 1 500 000 de francs CFA. Le coordonnateur M. Djahate que nous écoutons.

ren valeur médicament yi ci un million 700 000 francs de jël ci médicament pharmacie nationale bu ñu ñëwé dañuy and ak euh, docteur yi yemb fi ba ngom dafa buñu suñu calcul par rapport ak euh, visite yi ñu def mais war nañ au minimum 1200 200%. personnes Restons toujours avec cette journée de consultation gratuite pour voir la réaction des médecins qui ont fait le déplacement de Dakar à Ngaïmekhé pour voir leur réaction. Ils disent d'être satisfaits de la mobilisation et encouragent la politique de cette famille des Djani. Les personnes que nous écoutons à nos micros. Moment, Vraiment, il y a un bon, déroulement par rapport à cela. Donc, euh, les, les, la consultation, pour le moment, il y a beaucoup de médicaments. Hein. Les affections aussi sont, gérables pour l'instant. aussi, j'ai vu qu'il y a un service de sécurité d'ordre, de maintien d'ordre qui s'occupe euh, des patients. Et par ordre, ils viennent, euh, ils, sont, ils sont traités, on les libère. Mesdames, et Messieurs, les internautes, nous en arrivons au terme de cette première édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Je m'appelle Djibril Diop en étroite collaboration aux caméras et au montage de M. Diago et de Mafo Pro. N'oubliez surtout pas aussi d'aimer notre page sur YouTube et sur Facebook. Il faut taper Kayor Entertainment, ce qui nous fera plaisir et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Merci.